Mesdames, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'opération conjointe Tanali 2 menée du 25 novembre au 9 décembre 2021 le long de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso par les armées des deux pays. L'actualité, c'est aussi la célébration vendredi 10 décembre du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur les festivités marquant le 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger ou d'Ifangla. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Alhaji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaji Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Abachar Yarimi, journaliste à la radio alternative. Abachar Yarimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 17 décembre 2021 par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou qui a officiellement lancé le lundi 13 décembre à Difa les activités entrant dans le cadre des festivités marquant le 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger ou d'Ifa Ngla. À travers cette fête tournante de la République, il s'agit de faire bénéficier d'IFA des investissements importants pour sa transformation prévue dans le cadre du programme de modernisation des capitales régionales, mais aussi une occasion de communier avec la population de cette euh, région ayant souffert euh, des affres de beaucoup Haram. Abachariami, on va commencer avec vous. Vous êtes euh, ressortissant de la région de Difa. Que peut-on savoir au sujet de la fête tournante du 18 décembre à Difa Ngla Écoutez, la fête, selon toutes les informations qu'on a, se poursuit de belle manière. Euh, mais ce que je retiens, c'est que jusque-là, je n'ai pas en tout cas vu un ressortissant ou un, habitant, surtout de la localité, euh, qui n'est pas content, qui n'est pas fier des réalisations, <coughs> notamment euh, l'électrification des routes. Il y en a aussi qui ont été goudronnés, notamment de tronçons importants. Euh, la route euh, de Afonori et la route principale qui traverse pour aller euh, vers, vers Ningimi et beaucoup de photos. Il y a la voirie aussi, la voirie urbaine. Justement, qui a été vraiment, semble-t-il, vraiment de qualité. Moi, ça fait exactement un an je n'ai pas mis pied. Inch'Allah, dans une semaine ou plus tard, je serai là-bas et je constaterai de visu. Mais seulement, j'espère que les leçons ont été tirées euh, des autres réalisations. Parce que quand c'est neuf, quand c'est neuf, c'est joli, n'est-ce pas <laughs> C'est vraiment, ça saute à l'œil, c'est clinquant, tout ça. Et au bout d'un an, de la durée, de la qualité vraiment des réalisations. <coughs> J'ai vu la reine quand elle était, euh, pas la reine, euh, la tribune officielle quand elle était en train d'être réalisée. En tout cas, euh, ça avait l'air de quelque chose d'extrêmement solide et ça ne sera pas certainement comme Agadez Sokni qui a cédé après juste un premier vent de la saison de, pluie. donc, si tout ça se maintient, euh, comme du temps de la Samaria, on en parlait il y a quelques instants, parce que les gens ont vraiment coût très réduit parce que chacun a mis de sa volonté, chacun a mis vraiment de sa force pour construire des choses qui, continuent à résister. Si c'est vraiment fait dans ce cadre-là, bon, ça va vraiment beaucoup redorer DIFA, parce que DIFA a aussi grandi euh, malgré euh, la guerre vraiment, quand vous verrez quelqu'un qui a connu DIFA il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a des endroits où il ne se retrouverait même pas. Et donc, ces réalisations vraiment viennent à point nommé. Oui, euh, euh, mais est-ce que les ressortissants, euh, les opérateurs économiques de la région ont été impliqués dans, la réalisation de ces infrastructures-là Oui, vraisemblablement, c'est ce que j'aurais appris. Et d'ailleurs, ça se fait souvent dans, la zone. je sais que, par exemple, même la route euh, gaïdam s'est confiée à un entrepreneur de la région, mais aussi euh, maintenant, pour ce qui est de la route principale, euh, un moment, en tout cas, j'avais entendu que c'est une, euh, un, truc, une entreprise étrangère qui devait réaliser, mais les travaux ont été reportés d'un an parce que l'entrepreneur avait posé des exigences, semble-t-il, parce qu'il voulait de sécurité, qu'on doit assurer leur sécurité et tout. Euh, l'État du Niger n'aurait pas accédé à cette exigence. Et donc, je ne sais pas si cette entreprise-là a encore travaillé ou pas, mais c'est une entreprise aussi reconnue pour euh, le bon boulot qu'ils font et aussi les coûts qu'ils sont parvenus à amortir au Niger parce que euh, leurs matériels sont là. Donc quand ils facturent, ils ne facturent pas le transport euh, du matériel, ce qui coûte extrêmement cher, et donc ils sont parvenus à amortir ce coût et ils font des travaux euh, presque au prix des entreprises euh, locales. Est-ce qu'ils sont encore là-bas ou pas En tout cas, vu la vitesse à laquelle tout a été réalisé, l'année dernière, à pareil moment, il y a des routes qui étaient totalement impraticables la route qui quitte la douane pour aller vers le marché, c'était une catastrophe. Quand il pleut, euh, c'est de la boue partout. C'est de la boue partout. Et donc, si tout ça est réalisé, à Difa, ce qui manque aussi, c'est les caniveaux, comme à, comme à Et c'était les premiers n'ont pas été tellement bien faits que quand l'eau de la Komadougou monte, au lieu de, de drainer, l'eau vers le lit de la Komadougou, c'est du lit de la Komadougou que ça monte. Et donc, or, maintenant, on sait qu'on est en période de, crue de la Komadougou. Euh, la route de Ngimi est un peu, quelque peu coupée d'ailleurs si tout ça a été pris en compte, c'est une très bonne chose. C'est une bonne politique en la matière. Maintenant, c'est ce qui suit. À Zender, il n'y a, pas ce qu'on n'a pas entendu. On a vu. À vous, Zender, vous, parlez de l'entretien. De l'entretien, mais aussi de la qualité. C'est du matériel définitif. Il faut que ça soit définitif. N'est-ce pas Quand il y a de l'entretien, c'est vraiment un peu du trollage qu'il faut faire et ça redevient neuf. Mais quand ça s'écroule, ça, c'est vraiment grave. Ou bien, là où l'eau n'est plus, ne, restait pas, aujourd'hui, si tu pars, c'est des marigots qui sont créés. Donc, le travail n'a pas été bien fait et en tout cas, il n'y a pas eu d'études préalables, ça veut dire. Donc, j'espère que dix fois, c'est pour la deuxième fois, parce que du temps du, président Tanja, il y a eu déjà une... Euh, un tournant. C'est après ça que le président est tombé, je me rappelle. Et donc maintenant, c'est une deuxième fois. On doit revenir, si on revient, si le tour de Difa revient, il faut que ça soit vraiment pour faire autre chose que de retaper ce qui a été déjà fait. Sinon, c'est des investissements inutile et ça veut dire que l'argent est distribué et non investi. Bah, Alaji Mahmoud Suleiman, la fête tournante du 18 décembre du devrait se tenir en 2020. Le report de cette fête a-t-elle été bénéfique pour la région on peut, on peut le dire euh, euh, je me souviens quand même, euh, le président sortant euh, ou bien sorti voudrait certainement bien faire boucler la boucle à Difa. Mais malgré tout, je pense que à l'évidence, toutes les conditions n'étaient pas réunies, malgré en tout cas à ce moment une communication tendant à montrer que vraiment tout est fin prêt. je pense qu'ils ont dû donc renoncer à cette fête euh, je pense par rapport à votre souci, euh, on peut le dire aujourd'hui, non seulement euh, la situation sécuritaire à Difa est plus ou moins rétablie, en tout cas, En tout cas de ce point de vue, on peut dire que effectivement que les conditions d'une fête acceptable sont réunies, même si par ailleurs, au niveau national, en tout cas d'autres régions du pays, effectivement, on ne pourrait pas, par exemple, faire cette fête. Euh, dans la région de Tilaberi, en tout cas à Banu Bongo. En tout cas, ça va être, ça va euh, demander plus de moyens sécuritaires. Euh, donc, euh, je pense que ça va permettre, donc non seulement, parce qu'on se souvient, le président était dans la, la, région, en tout cas pour le retour des gens de leur, de de leur village. Mm. Donc, avec la fête, certainement aussi, c'est l'occasion pour lui de manière vraiment euh, avec plus de proximité, d'écouter encore euh, ces stratèges euh, donc les, et les militaires, en tout cas les populations, pour voir en fait ce défi la sécuritaire, mais aussi maintenant par rapport à la fête en tant que telle. c'est vrai, on entend effectivement des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas opportun de le faire. Mais bon, quelque part, moi, je me dis que s'il faut, euh, se laisser imposer un agenda par les touristes, on ne va jamais en tout cas réaliser quelque chose. Absolument. Donc il va falloir euh, prendre les choses euh, avec philosophie en tenant compte que véritablement ce n'est pas une façon de, baisser la garde. parce qu'effectivement, c'est des festivités, c'est folklorique souvent, mais euh, on met la fête nationale, euh, c'est aussi des valeurs, euh, le, défilé militaire qui. Euh, il y a des valeurs de coexistence pacifique, d'unité nationale. Parce que comme toute la semaine aussi, à travers la culture, mm, le, Le, truc de à, plaisanterie. En tout cas, ça permet tout simplement de faire des échanges, de, de, de, de rappels importants de la vie sociale, ce qui se passe. Euh, mais euh, je pense que euh, il y a aussi au Parlement, une fête de, de, de, la République euh, la, semaine prochaine, parce qu'à mon moment que la fête de, de, Diva, demain. Euh, demain. justement. Euh, Aladji Mamadou, est-ce que la, fête du qui a été célébrée, qui devait se faire en 2020 et qui a été reportée en 2021, a permis de poursuivre certaines réalisations, ces places Bien sûr, quand, quand vous voyez effectivement les reporters qui étaient allés, en tout cas, non, depuis l'année dernière, en tout cas, ils ont montré en tout cas les principales de réalisation ah, euh, absolument que fois, en tout cas, a changé. fois, comme Tilaberi, qui était donc euh, vraiment. Nos villes, disons, en fait, nos capitales régionales étaient vraiment de gros villages, mais au bénéfice justement de ces fêtes tournantes, euh, l'État a pu faire quelques réalisations. Maintenant, comme l'a dit Arimi, effectivement, tout n'est pas de, faire de, de, travaux bâclés. Il va falloir, conséquemment au moins, qu'on ait été mobilisés en tout cas, qu'on sente qu'il y a eu un investissement porteur. il ne s'agit pas vraiment de donner aux commerçants véreux qui vont juste euh, faire du, euh, vraiment, colmatage. Absolument, faire voir euh, pour la cérémonie. Juste quelques mois après, tout ce qui a été fait vraiment s'est remis en cause. Moi, je pense que ça, c'est du gâchis, en tout cas, sur le trésor public, parce que c'est le trésor public on mobilise euh, des milliards pour faire cela alors qu'il y a d'autres priorités. Euh, donc au niveau d'un pays comme le Niger, en tout cas, où il y a beaucoup de priorités. Donc je pense que on euh, niveau donc, des autorités, la qualité de la, dépense doit être de mise en tout cas il ne suffit pas de donner tout simplement des marchés aux gens parce que c'est des militants, parce que c'est des, Je ne sais pas, mais je pense que la rigueur doit en tout cas prévaloir, en tout cas la qualité. Et c'est pourquoi, au niveau des de, marchés, le plus important, euh, euh, ce qu'on donne, en tout cas, le travail à ceux qui savent le faire. Ousseini Sajibo, selon vous, qu'est-ce qui mérite d'être amélioré à l'avenir Je vais d'abord parler à, Rimi. quand je vais à Difa, je ne vais plus me retrouver dans des l'ancien ah, l'ancien quartier. L'ancien bah, quartier. Exactement le même. D'accord. Il n'y a pas, que je sache, en tout cas, de ce que j'ai vu l'année dernière. Fakura n'a pas. Euh, alors, merci pour la réponse. Qu'est-ce qu'il faut changer Armi vient de dire on fait des clinquant. Du, du Ça dit que euh, oh, ça brille. Ça brille. tout ce qui brille n'est pas de l'or. La circonstance de l'événement la circonstance qui est là parce que des gens sont là, des étrangers sont là, tout est neuf, les, les, feux optiques sont là, on voit, ça s'allume, ça fonctionne. Il y a eu, il y a eu des ratés euh, dans d'autres régions. On connaît. Mais je crains, crains fort que ça ne soit la même chose. Parce que je vais dire une chose. J'ai fait un peu partout des régions où j'ai constaté que, au bout d'une année, ce qu'on a réalisé comme infrastructure, même les villas ministérielles, moi j'ai dormi dans un villa ministériel euh, à, à Zendai, où les serrures, tout est défoncé, des choses comme ça. Ça veut dire que le travail était mal fait, où les carreaux sont défoncés, les pavés sont défoncés et tout et tout. Si c'est faire Peut-être que Bifangala euh, s'est inspiré. S'il te plaît, euh, attends. Attends, on vient tous de dire quelque chose ici. C'est que on donne le marché. Il faut faire bénéficier quelques gens. J'ai vu Dosso. J'ai vu un peu. Heureusement que. Dosso, là, ça avance, on un peu. Mm. Euh, non, il y a des choses qui ont été abandonnées. j'ai vu un peu Tawa, j'ai vu un peu Zenda j'ai vu un peu Tilaberi. Quand tu vois Tilaberi, ah, les voix qui ont été. Mais c'est autre chose. On a mis de l'argent. Au bout d'un an, deux ans, trois ans, ces infrastructures-là ne tiennent plus. Quand tu les trouves, tu te poses la question. Des voies qui sont karma défoncées, qui deviennent des, des, des des voies goudronnées qui deviennent des marques, qui deviennent, pendant la saison de pluie, de retenir au karma. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on a mis de l'argent dans ça. On dit non, on peut améliorer. Non, le problème c'est que les gens ne mettent pas du sérieux pour faire le travail. C'est ça la difficulté. Est-ce que Parce que quand j'ai fait, quand euh, j'ai fait, que les travaux ont été faits précipitamment Laisse-moi faire le parallèle. Laisse-moi faire le parallèle. Quand je prends le CCOG là, le complexe là, mhm. tout le bloc là. Quand je prends tout ce bloc-là, ce bloc-là a été construit dans les années 79-80 sous Kunche à, l'occasion du festival. Parce que non, il faut que l'État ait une continuité. et le bloc est encore là, est toujours solide. On fait juste des raménagements, des petits travaux, des décorations et autres. Jusqu'ici, de 80 à aujourd'hui, ça fait combien d'années 40 ans. N'est-ce pas mhm. Ces bâtiments tiennent toujours. Malgré la pluie, malgré tout, malgré les intempéries, ces bâtiments sont là. Les gens sont contents de les regarder. On a besoin de faire une activité, il suffit juste de faire un peu de peinture là-dessus. Les gens vont venir s'y retrouver, les gens vont trouver le cadre agréable et tout et tout. Mais on fait des choses dans une région. Au bout d'une année, tout est à terre. Alors, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on va vouloir faire une autre activité dans la région, il faut encore mettre de l'argent. Recommencer. Beaucoup, beaucoup d'argent. Hein beaucoup d'argent. Et c'est ça. on nous avait dit que c'était 111 milliards à l'époque. 110 milliards. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Il faut que les gens qui vont faire ces travaux-là, que ce soit un travail sur que ce soit un travail suivi, pour que ce soit un travail définitif où on aura besoin dans 10, 15, 20 ans juste de retouches par rapport au bâtiment parce que <laughs> la, peinture va, s'en aller de temps en temps, il faut. Tant que ce n'est pas ça, quand j'ai vu certaines réalisations dans le cadre de ces fêtes tournantes-là, mais je suis scandalisé. Je suis scandalisé parce que c'est un gâchis. Quand je vois des routes défoncées, une route est faite pour au moins durer, bitumée, est faite pour durer au moins 10, 20 ans minimum. Quand oh, oh, l'année d'après, tu reviens, tu trouves que toute une bonne partie est partie. Les gens roulent dans l'eau quand c'est la saison de pluie. Alors, c'est quoi Ngala. Belle. Belle pour une semaine. Voilà, pour une semaine. On, eh. Non, juste un mot par rapport à ça. Un mot, en fait, c'est pour dire qu'on on doit s'inspirer de l'exemple de DIFA qu'on a là qui vient d'être réalisé en deux ans. Moi, je pense que tout n'est pas d'aller et de construire partout des choses qui ne vont pas tenir. Pourquoi on ne va pas faire des trucs biennales Vraiment, et on a le temps de construire et de finir par la fête. Passons au second sujet de ce forum de la presse, la situation sécuritaire dans la zone des trois frontières. Deux bases terroristes démantelées, une centaine de terroristes neutralisés et divers matériels récupérés. C'est le bilan officiel de l'opération conjointe dénommée Tanali 2 menée du 25 novembre au 9 décembre 2021 le long de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso par les armées euh, des deux pays, rapporte une dépêche en ligne du quotidien gouvernemental nigérien Le Sahel du vendredi 10 décembre. Abachari Arimi, que peut-on retenir au sujet euh, de cette opération militaire conjointe entre les forces armées du Niger et du Burkina Faso mais écoutez, c'est une stratégie qui a été déjà essayée, que je sache, entre le Niger euh, et le Nigeria, euh, tantôt par les trois pays du temps fort de Boko Haram. Euh, certainement que ça contribue à vraiment réduire les forces de l'adversaire, mais qui finit toujours par se reconstituer. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, mais au-delà, il faut être présent. Il faut être, euh, il faut présent, être présent, ça veut dire présent euh, dans les localités, dans certaines localités Il faut occuper les régions. Il faut occuper le, terrain. Il faut occuper le terrain. C'est extrêmement difficile parce que euh, l'ennemi est presque volatile, si on peut s'exprimer comme ça. Mais vraiment, il faut être présent sur le terrain, alerte capable de réagir à tout moment. Moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Oui, c'est bien de ratisser, mais euh, bon, vous passez et c'est sûr qu'il se reconstitue. Il ne faut pas oublier que euh, l'ennemi, pour beaucoup, ne vient pas de l'extérieur n'est-ce pas C'est euh, nos frères. Ils sont du euh, terroir. ils sont du terroir. Euh, et c'est des gens qui ont retourné la veste, qui ont décidé de prendre les armes. Et les maîtrises sur le terrain aussi. Oui, ouais, voilà. À fois, c'est particulièrement ce qui s'est posé comme problème. c'est des enfants qui savent nager comme c'est pas possible parce que on a souvent considéré que le, la Komadougou est une barrière, mais pendant que la Komadougou est en période de crue, même il y a eu des attaques. Et donc, il faut vraiment oui, c'est normal pratiquement parce que euh, les deux, de deux côtés des frontières, il y a des attaques, il y a des attaques contre les armées, il y a des attaques contre les populations. C'est normal que les gens se mettent euh, ensemble et c'est une bonne chose de pouvoir travailler main dans la main parce que les gens font euh, face au même ennemi et donc que d'attendre les forces extérieures auxquelles moi je ne crois pas trop et vraiment que les gens prennent leur mal en patience, qu'ils aient confiance à leur armée pour réagir face à une menace extérieure. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Hussein Issajibo, pour cette opération, les forces armées nationales euh, du Burkina Faso et du Niger ont chacune déployé plusieurs unités terrestres euh, selon les états-majors au cours de cette opération dont le poste de commandement euh, se trouve à Tilaberi, à l'ouest du Niger. Comment expliquer euh, cette concentration des terroristes dans cette zone dite des trois frontières C'est quoi la zone des trois frontières d'abord euh, oui oui, la zone. Non, mais non, non c'est quoi C'est pas les Occidentaux, les Blancs qui ont dit c'est la zone des trois. Est-ce que ce que c'est pas les populations qui vivent de part et d'autre <laughs> Burkina Faso, Mali, c'est la même zone. C'est hein. les mêmes, les mêmes populations et tout. On dit zone des trois frontières il y a trois frontières dans la zone. S'il te plaît. Est-ce que les frontières là, c'est des frontières qui sont là. Bon, c'est des populations de part et d'autre. J'ai mes cousins, mes parents de l'autre côté, et ils ont, aussi des parents machés. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on dit ont des trois frontières. Ok, tout le monde est d'accord, la zone des. <laughs> tu peux délimiter cette zone Dis-moi, est-ce que tu peux délimiter qui va de Wallam jusqu'à Tourodi, jusqu'à Saï, cette zone-là C'est une très vaste zone. N'est-ce pas Jusqu'au parc W. Jusqu'au parc W et tout et tout. Tu peux délimiter ça On peut délimiter. Le Bénin fait partie de la. Le Bénin, oui, bien sûr. De trois frontières, ça veut dire qu'il y a quatre, frontières. frontières. Mais alors, c'est les Blancs qui ont décidé ces trois frontières. N'est-ce pas Ok. Ok. D'accord. L'opération a été menée par deux pays, non Oui. Le Niger et le Burkina. La base de commandement, l'opération comment dirais-je euh, C'est au Niger. Regarde ce qu'ils ont fait comme des gars aux terroristes. Quelque part, quand on regarde, si on veut bien, on n'associe pas les autres là. Les autres, c'est qui les autres j'ai besoin de te dire. on s'est entendu comment on va mener l'opération. On n'a pas donné la chance à ces gens qui viennent tuer, piller et puis s'en aller. On n'a pas donné le temps pour qu'ils puissent être informés. On les a trouvés, on les a massacrés. 100. Plus de 100. Une centaine. plus d'une centaine, n'est-ce pas mm-hmm, mm-hmm. En tout et pour tout, qu'est-ce qu'on a perdu Quelques soldats qui sont tombés au Burkina et des blessés, n'est-ce pas mm-hmm. S'il y avait eu l'information là, ces gens, ces gens qui prétendent être là pour nous aider. Regardez, c'est une opération conjointe. Hein. vient de dire quelque chose. Quand les opérations qui ont le plus porté c'est quand c'est des opérations, le Tchad, le Niger et mm. le, Nigeria. La force mixte multinationale euh, euh, des de trois pays. Parce que les gens connaissent leur terroir, ils connaissent les gens, ils savent comment ils peuvent mener l'opération. Et ils savent que voilà ce qu'on a décidé, comment on doit aboutir à, des résultats. Mais quand quelqu'un est là, il a l'information, il va, il informe. Les gars, ils s'en vont. Est-ce qu'on a besoin Est-ce que quelqu'un connaît mieux le terroir, mieux que nos soldats mais quand des gens sont là et on les associe souvent à la démarche, alors le problème, c'est ça la difficulté Mali, Niger, c'est ça la difficulté. Parce que ces gens, ils ont nos renseignements, mais on dit ils nous renseignent, ils nous renseignent en quoi il y, a, il y, a, des attaques qui se passent, on les informe, ils ne sont pas capables d'aller. On dit qu'ils n'ont pas, dans la convention, je ne sais pas c'est quelle convention qui n'a pas été agréée, en tout cas validée par l'Assemblée nationale, ils interviennent au Mali exclusivement. En un mot, selon vous, l'opération conjointe Tanali 2 a été une éclatante un Succès éclatant. C'est un, succès éclatant, c'est un exemple, c'est un modèle à suivre. On se met ensemble. Ces deux zones, on, connaît un peu, on se donne les informations, on coordonne. N'est-ce pas On va sur le terrain. On sait, voilà, telle zone, telle zone, telle zone, il y a zone de cache, ils ont ceci, cela. On vient, on détruit on récupère le matériel qu'ils ont de guerre et tout et tout. Ils vont mettre beaucoup de temps avant de se reconstituer. C'est un succès. Mais il faut suivre cet exemple, c'est un modèle. Quand j'ai vu aussi du côté de DIFA, quand il y a eu des opérations conjointes, Nigeria, Tchad, Niger, ça a donné des résultats. Parce que tu viens taper au Niger, tu veux fuir pour aller au Niger. Les soldats du Niger vont t'intercepter. Mais quand tu peux fuir, tu rentres on n'a pas d'information au Niger que vous êtes venu attaquer au Niger. C'est sur les terres qui sont au courant que vous êtes venu attaquer au Niger. Moi, je dis, c'est la même formule. Hey, on n'est pas des lâches ou des, des, machins comme les gens tendent à le faire croire qu'on a besoin. On peut, avec nos maigres moyens, là, on peut nous défendre, on peut se défendre. C'est ça que les gens ne veulent pas faire parce que c'est un business, cette histoire de crise sécuritaire-là. Ça arrange Al Al Al Suleiman, au même moment, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone plusieurs mouvements de protestation euh, des jeunes qui dénoncent la présence des bases militaires, notamment euh, françaises. Pourquoi cette hostilité 60 ans après les indépendances chez une génération qui n'a jamais connu l'époque coloniale euh, Je pense que pour ceux qui ont lu ou bien qui veulent lire, il faut lire l'article de de l'anthropologue euh, Pierre-Olivier de, euh, justement, qui donne vraiment les raisons euh, historiques pourquoi ce sentiment anti-français. Il dit il y a mille, mille raisons, en tout cas, pour le faire. Bon, c'est-à-dire que, franchement, il y a des raisons. Il y a beaucoup de raisons liées au comportement. Euh, donc de, français. Donc historiquement, vous voyez, il y a cette question de la, de, de, la monnaie. Le franc CFA. Euh, le franc CFA, absolument, la façon dont ils gèrent nos, nos, portefeuilles. Absolument, nos portefeuilles. <laughs> Et il y a donc aussi la gestion de la question sécuritaire où les gens avaient pensé véritablement que donc euh, la coopération militaire, ils soient là pour nous pour en tout cas faciliter donc, le combat. Mais vous l'avez dit. Les gens ont également dénoncé les ingérences extérieures à travers les élections qui s'organisent en Afrique euh, francophone. Absolument. Euh, les gens avaient beaucoup de raisons donc, de critiquer la France euh, parce que tout simplement, on a comme l'impression que les Français mettent en avant leur intérêt au détriment de. Bref, c'est un peu excessif comme jugement. je pense que il n'y a pas de preuves, c'est assez en tout cas pour le dire. Je ne pense pas que cet argument est rationnel. Euh, mais ce qui est important, euh, moi, je considère que nos dirigeants ont très bien compris. Parce que le président Bazoum, c'est devant Macron en France. Il a dit que nous n'avons pas besoin de soldats français sur notre territoire. Mais ils sont là pourtant. Parce qu'il a bien compris. Justement, je, je reviens euh, là-dessus, son discours du 26 novembre. Mais ici, c'est que cela voudrait dire que quand, en, France, le président Bazoum avait dit ça, il avait conscience que la lutte contre le terrorisme, tout simplement, suppose deux choses. Comme dit un expert, euh, la vitesse et l'information. La vitesse, nous avons besoin des moyens aériens, de la logistique nécessaire pour rapidement ah, euh, intervenir. Je dois saluer euh, de, passage l'action des Américains que nous ont doté la semaine passée d'un C-130, un avion qui va permettre en tout cas de transporter en temps réel nos, donc les hommes et les moyens, l'information, les renseignements justement. c'est ce que nous avons besoin effectivement que on peut dire oui à la coopération militaire lorsque effectivement nos partenaires vont doter en tout cas nos, nos forces de défense et de sécurité avec ces moyens logistiques, avec ces renseignements, parce que justement on l'a dit, l'opération Tali effectivement c'est un exemple vivant que nos armées peuvent inverser la tendance. Tout simplement, elle a besoin que d'abord nos États euh, eux-mêmes les lettres de moins conséquents, mais aussi le partenaire qui est là en appui, effectivement, doit faire montre de sincérité que on n'a pas besoin de leur présence ici, en tout cas euh, localement, on a plutôt besoin de leurs moyens. Euh, maintenant, par rapport au discours dont tu, effectivement, du, président de 26, ce que véritablement, on ne peut pas dire et je pense que quand vous regardez au niveau de la classe politique, les hommes politiques en vue ne peuvent pas sortir comme, le comme la société civile, nous demandant ici et maintenant le départ des de, de, forces étrangères. Tout simplement parce que ce n'est pas politiquement correct. Tout celui qui vient au pouvoir est obligé effectivement de mettre en avant la coopération militaire jusqu'à ce que, effectivement, que l'armée a suffisamment de moyens, en tout cas, pour euh, gérer la situation. Euh, nous avons encore besoin de cette coopération pour la formation de nos, de nos, de, nos officiers, pour tout simplement euh, l'accompagnement nécessaire. Mais je pense que c'est ça la, nuance. Mais la question maintenant du sentiment anti c'est une réalité en, Afrique. Euh, euh, il y a, mais seulement, je constate aussi des situations donc, qui ne collent pas à la réalité, qui font que tout simplement certains ont envie de crier avec le loup, tout simplement par rapport à cet agenda. Mais je pense que le plus important, c'est que nos FDS ont montré qu'en tout cas, à travers l'opération Tali, ils peuvent véritablement euh, assurer l'essentiel. Donc, du euh, terrorisme. il appartient justement, imaginez par exemple maintenant, fait que les Maliens viennent, que justement tous les autres viennent en tout cas en appui. La force, par exemple, euh, euh, mix le FM là, en tout cas, qui réunit le Tchad, le Nigeria, tout, quoi. Donc tout cela, en fait, on se rend compte qu'il y a des initiatives, mais sur le terrain, en tout cas, on ne voit pas de, de résultats. Enfin, le dernier sujet euh, du forum de la presse euh, de ce soir est relatif au 113e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a célébré le 10 décembre à Niamey le 113 e anniversaire de la Déclaration universelle euh, des droits de l'homme sous le thème Tous humains, tous égaux. Euh, pour le président de la CNDH, toutes les formes de violation des droits de l'homme doivent être euh, dénoncées et sanctionnées avec euh, la dernière énergie. tous les acteurs engagés dans la protection des droits de l'homme doivent joindre leur voix à celle des sans-voix. Euh, par là, j'ai nommé euh, toutes euh, les victimes silencieuses et impuissantes des violations de leurs droits les plus élémentaires, a déclaré Mati El Haj Moussa. El Haj Mohamedou Souleymane, l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme coïncide avec le séjour au Niger de Mme Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Quel symbole un symbole, euh, peut-être que euh, au Niger, euh, on a eu comme quelques progrès. En matière, de, promotion respect. des droits humains, il y a quand quelques progrès en matière justement aussi de l'exercice démocratique du, pouvoir. L'exemple illustratif, c'est aussi cette Commission nationale des droits humains qui assure l'essentiel pour la protection des droits humains cette euh, euh, structure, en tout cas cette institution, euh, départ en tout cas la gestion précédente avec l'équipe de Khaled Ekiri. Tout le monde sait que c'est une institution étatique, mais qui ose, lorsque les dirigeants en tout cas prennent des libertés par rapport aux droits humains, en tout cas de les rappeler à l'ordre. C'est un progrès important qu'on ait en tout cas des structures de l'État qui veille justement au respect des droits, humains. Donc je pense que, euh, et on le sait effectivement, la, la CNDS est bien cotée, donc elle est donc ce de AA en tout cas au niveau donc de, en tout cas de la sous-région, nous sommes très bien cotés de ce, point de vue. Euh, dans la réalité, euh, c'est toujours très difficile parce que le droit humain, c'est vraiment très large. Aujourd'hui, peut-on parler, on parle d'égalité justement. Oui, nous sommes libres et égaux en, en, en droit, mais euh, la question des droits humains, franchement, quand on essaie de voir beaucoup de paramètres, on va voir que c'est un idéal justement qu'il faut poursuivre et, défendre. Euh, quand on considère vraiment la dimension de la vie, la, dimension économique, euh, nous sommes dans un, dans un contexte au niveau national où il y a l'exclusion, l'accès équitable aux ressources, vous voyez. Donc tout cela fait que véritablement, il y, a, il y a justement à travailler pour conquérir justement l'égalité dont on parle, parce que tout simplement, on ne peut pas. Souvent, quand on voit, comme l'a dit, dit quelqu'un, sur son propre euh, pays, on est étranger, on observe justement euh, un certain nombre de, de, de, choses, d'exclusion. Euh, donc, moi, je pense que l'arrivée de, donc, commissaire aux droits humains des Nations Unies, tout simplement, je pense que nous sont venus non seulement apprécier, en tout cas encourager donc, euh, le Niger en tout cas à aller de l'avant, mais aussi, aussi peut-être euh, euh, donc, faire l'évaluation de ce qui ne, va, ce qui ne va pas. C'est comme ça que justement on peut, avancer. Donc de mon point de vue, notre pays n'est pas, en tout cas quand on compare avec beaucoup de pays de la sous-région, récemment vous avez suivi ce qui s'est passé au Bénin. Euh, sur les opposants. Avec euh, l'épisode de Rekiet ah, ah, ah, Absolument. Et, avant elle, il y, a, un autre qui ont été condamnés de façon vraiment euh, assez, vraiment 18 ans et, 20 ans, je crois. donc tu vois, bref, moi je pense que il y a que. Euh, Selon vous, il y a du progrès euh, qui a été enregistré au Niger. Ousseini Sajibo, au Niger, le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme intervient dans un contexte où le pays est confronté à des menaces euh, sécuritaires et climatiques sérieuses. comment promouvoir le respect des droits de l'homme <coughs> dans un tel contexte C'est pas compliqué. Pratiquement toutes les constitutions, en tout cas de démocratie sont inspirés de la Déclaration universelle des droits humains. Maintenant, le problème se pose en termes d'encadrement ou de conception ou de compréhension de ces droits-là, des articles de la Déclaration universelle des droits humains. Malheureusement, malheureusement, ce qu'on constate dans nos pays, c'est que quand je suis au pouvoir, ça ne m'arrange pas. J'ai tendance à vouloir empêcher à ce que certains droits, c'est-à-dire même quand les gens crient, moi je considère que non, non, non, ils, sont en train, ils, sont, ils sont en train de raconter leur vie et tout. Voilà un peu la difficulté. Mais sinon, on peut créer les conditions. Comment faire pour promouvoir les droits humains. dans, un, contexte de conflit. dans un contexte de... conflit, s'il te plaît. On vient de parler de conflit, non De cette histoire de crise et tout et tout. Quand les gens vont, quand les gens sont dans une situation où ils se disent, il n'y a pas accès à la nourriture, accès à l'eau, accès à un emploi, il n'y a pas tout ça. Mais on crée une situation où ça peut devenir, ça peut exploser un jour. Aujourd'hui, quand tous ces enfants-là, imagine, tous ces enfants qui devaient normalement continuer à fréquenter l'école, qui sont dans les campagnes où les écoles ont fermé, où les villages se sont déplacés, qui sont là dans la rue, ces enfants-là, ils vont devenir quoi demain Et ils vont se retrouver dans une situation où ils vont grandir, ils ne savent rien faire, ils n'ont aucune perspective. Qu'est-ce qui reste La violence. La violence, n'est-ce pas ils vont devenir des brigands, des grands brigands, je ne le souhaite pas. Mais j'ai dit, c'est la situation, tous les autres pays, quand ils prennent l'Afrique du Sud, c'est qui a plongé l'Afrique du Sud dans la violence. La criminalité. La criminalité et tout et tout. Mais les jeunes ne se rendent pas compte que l'enfant qui est là, il est petit. Pour l'instant, il n'est pas violent. Au fur et à mesure, il va grandir. Et il aura des besoins. Il n'y a aucun... Il n'y a pas d'espoir. Mais il devient quoi C'est ça on doit, en tant que dirigeant, on doit se dire, trouvons un mécanisme. Ceux qui sont déscolarisés là. Parce que euh, c'est ça la violation. C'est bien beau de dire, voilà ce que disent les articles. Mais quand on ne crée pas les conditions pour que la société soit une société harmonieuse, où chacun va trouver son compte, n'est-ce pas On va se trouver dans une situation explosive où la, criminalité va devenir, va prendre de l'ampleur. Je ne le souhaite pas. Mais tous les pays qui ont basculé dans ça, c'est à cause de cette situation-là. L'apartheid a fait qu'en Afrique du Sud, les enfants, les jeunes, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui où on vous braque en plein au, au Kenya, même chose. Mais c'est quoi qui a provoqué C'est pas autre chose. Abachari Arimi, euh, cet anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, intervient également dans un contexte où plusieurs manifestations de rue de la société civile ont été interdites à Niamey comme à l'intérieur du pays. Comment l'expliquer rapidement, Abba C'est aussi simple. C'est un des droits fondamentaux de l'homme qui n'est pas respecté. Euh, le droit à la manifestation, c'est dans notre constitution, c'est nulle part ailleurs. C'est le droit à l'association, c'est dans notre constitution et c'est le fondement vraiment de la démocratie. Tant que ce droit n'est pas respecté, ça veut dire que nous avons une démocratie, s'il y en a, une démocratie boiteuse. Ah, en, plus de ça, il y a un certain nombre de droits. Le droit de l'homme, c'est un certain nombre de droits euh, fondamentaux. C'est le droit euh, à la justice, n'est-ce pas Est-ce que aujourd'hui euh, tous les Nigériens ont accès équitablement à une justice euh, Beaucoup te diront non. Est-ce que euh, c'est le droit à l'eau L'eau potable, tout simplement, l'accès à l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui les populations nigériennes ont accès à cette eau-là C'est le droit à l'éducation, n'est-ce pas Les enfants nigériens, aujourd'hui, même ceux qui sont en ville, est-ce qu'ils ont droit, leur droit à l'éducation est respecté Et ça, c'est un certain nombre de frustrations. Tant que ces droits ne sont pas respectés, tu ne peux pas être un candidat à la paix. Ça ne peut remettre que en cause toute situation vraiment d'accalmie, toute situation de paix. On ne peut pas être paisible quand dans un pays où nous avons 65% de jeunes la moitié ne sait pas où donner de la tête. Leurs parents ne savent pas où donner de la tête. Ils ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas accès au minimum vital. Les gens n'ont même pas leur droit à l'abri, même n'est pas respecté. C'est normal que certains d'entre eux se retrouvent en brousse en train de tirer sur tout ce qui bouge. Ça, c'est élémentaire. Il ne faut pas rêver. Même si on finit avec cette violence qui sévit un peu partout dans notre pays, on n'a pas créé les conditions d'une paix, euh, durable tant que ces droits fondamentaux ne sont pas respectés. La démocratie a ses règles. Oui, Abakari comment davantage promouvoir le respect et la protection hein, des droits de l'homme au Niger rapidement pour, parler, pour revenir sur le droit à la manifestation, hein, ça fait dix ans, pratiquement, toute marche est vouée à une fin de non-respect. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, que le celui qui a été démocratiquement élu, qui sait que si c'est par la force qu'il faut venir au pouvoir, il ne vaut jamais venir, n'est-ce pas Qu'ils se disent que, au même titre que les gens nous ont respecté le droit d'être là où nous sommes, nous devons créer, nous faire violence. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Hein le vivre en commun. Tu cèdes un peu de, ce que tu veux à l'autre, ainsi de suite, pour que équitablement, chacun dans son propre pays ait accès à ce dont il a le droit. C'est pas aussi compliqué. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités El Hadj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Abba Arimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, euh, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, euh, pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Oussa et dimanche, le forum en Zarma. Merci aussi à la technique, à la régie assurée par Mustapha Ayouba et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.